dans la crise. Prions, Père, nous te nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions qu'à travers cette édition, Papa, nous puissions obéir à ta parole. Nous puissions, Seigneur, te faire confiance en toutes choses, en toutes situations, au nom précieux de Jésus. Amen. Nous considérons la confiance dans la crise. Nous allons lire notre texte dans le livre de Psaume chapitre 2, Psaume chapitre 3 plutôt, Psaume chapitre 3, le verset 2 jusqu'à 9. Lisons la parole de Dieu ensemble. Combien qu'ils disent à mon sujet, le Dieu salut pour lui auprès de Dieu. Moi, toi, ô Dieu, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu lèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je me dors, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les mirailles des peuples qui s'assiègent de toutes Lève-toi éternel, souviens-toi mon Dieu, car tu frappes à la jaloux ou à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur son peuple. Notre verset clé, c'est le verset 6 qui dit ceci là. Verset 6 qui dit Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien car l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon soutien. Nous considérons la confiance dans la crise. Allons-y dans le message, s'il vous plaît. Parmi toutes les épreuves que l'homme peut vivre, celles qui viennent de la famille sont les pires expériences et les plus pénibles. Quelqu'un a dit à propos des ennemis domestiques, il dit ceci, ils connaissent vos secrets, vos forces, et vos faiblesses ainsi que vos routines quotidiennes et portent toujours un masque chaque fois qu'ils veulent vous attaquer afin que vous ne puissiez pas les détecter. Je, dis, je, le répète encore, quelqu'un a dit à propos des ennemis domestiques, un ennemi qui te connaissent, qui te connaît bien. Regardez ce que la personne a dit concernant ces personnes. Ils disent, ils connaissent vos secrets, vos forces, vos faiblesses, ainsi que vos routines quotidiennes. Et ils portent toujours un masque chaque fois qu'ils veulent vous attaquer afin que vous ne puissiez pas les détecter. Un ennemi domestique est, un, est donc le pire des ennemis. Le roi David a été victime d'un ennemi domestique. Certes, il était un homme de guerre et était constamment sur ses gardes en ce qui concerne les batailles. Mais le texte d'aujourd'hui raconte son expérience dans la bataille féroce qui l'a chassé de la ville. Cette bataille était orchestrée par l'un de ses fils, Absalom, qui cherchait à tout prix à lui ravir le trône. Cependant, David connaissait le secret d'une victoire durable, une foi absolue dans le Tout-Puissant. Il a prononcé des paroles de foi et d'encouragement pour lui-même. Je n'aurai pas peur, des dizaines de milliers de personnes qui sont dressées contre moi tout autour. cest il assuré Dans sa demande à Dieu, il a rappelé sa grâce et ses interventions passées dans sa vie, comme Dieu a frappé tous ses ennemis sur la joue. Et il n'a attribué sa délivrance qu'à Dieu. Comme Dieu, vous faites peut-être face à de grands défis. Vos ennemis et vos preuves peut vous provenir de sources inattendues. Ils peuvent être en augmentation. Ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous des promesses infaillibles de Dieu et tenez-vous-y. Rappelez-vous ses interventions passées dans votre vie et déposez-lui toutes vos requêtes. Il, vous, il ne vous décevra point. Car il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Le Seigneur va nous aider à pouvoir mettre notre confiance à l'Éternel au nom de Jésus. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions. Seigneur, nous te glorifions car tu es un Dieu qui juge, un Dieu qui déshonore et déçoit tous nos ennemis et tous nos adversaires. Seigneur, nous demandons que Seigneur, tu nous aides. Aide tous les frères et sœurs à mener une bataille glorieuse afin qu'ils soient dynamisés, qu'ils soient renforcés, qu'ils soient rendus vainqueurs. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous dans tous nos combats, car tu es, Seigneur, un Dieu vainqueur. À toi la victoire. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, si vous êtes un ami de Dieu, peu importe qui est votre ennemi. Si vous êtes un ami de Dieu, peu importe qui est votre ennemi. Amen. Notre, notre lecture du biblique d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 17 jusqu'au chapitre 20. Deutéronome chapitre 17 jusqu'au chapitre 20. Merci que le Seigneur vous bénisse. Oh.